Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et soyez les bienvenus. Sur le programme Al-Amin, dans l'épisode dernier, on a abordé euh, le thème du respect, équité et justice dans le surah du prophète Dans cet épisode, Inch'Allah, on continue avec le même thème. Quand on parle euh, du respect, équité et justice euh, dans le surah du prophète sallallahu on parle de ces termes, on parle de ces notions en relation de la consolidation de la paix euh, entre musulmans et les hommes d'autres confessions religieuses. Euh, Inch'Allah, j'ai avec moi euh, dans ce studio aujourd'hui M. Amoussan Abdel Ghaffar. alaikum wa Alaikum salam wa Et M. Murtala Saadou. Assalamu Soyez les bienvenus. Euh, ils vont nous aider à faire euh, des éclaircissements sur euh, la vie du professeur sallallahu alayhi par rapport à la consolidation de la paix. Inch'Allah, j'aimerais commencer avec Monsieur M. Amoussa Abdel Ghaffar. Il y a un cas dans la vie à l'époque du professeur sallallahu alayhi lorsque le professeur sallallahu alayhi passe un jugement en faveur d'un non-musulman, d'un juif contre un musulman. Donc, euh, ceci euh, m'étonne un peu parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle des musulmans. Pourquoi est-ce que le prophète euh, donne un jugement en faveur d'un non-musulman contre un musulman Est-ce que cette attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose qui est basée dans, les, dans les enseignements de l'islam ou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait euh, euh, C'est un cas euh, extraordinaire. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Si, si vous nous suivez depuis le début de cette émission, si vous voulez, ce programme-là, on a parlé de Sira, on a aussi parlé des hadiths. Ici, l'attitude du prophète Wasallam vis-à-vis du non-musulman, sur l'affaire entre le musulman et le non-musulman, le messager n'a pas agi agir de la volonté. Cela n'est pas venu de lui. Il a seulement mis en pratique les enseignements du Coran. C'est ça qui fait ce qu'on appelle hadith. Et c'est une pratique de ce qui a été dit dans le Coran. Voilà cette affaire. D'abord, si on voit dans les Sirah, voir l'histoire euh, de cet événement-là. Le, compagnon du prophète Mohammed, il s'appelait Touma. Il était désespéré à défendre euh, la cause des musulmans. Mais malheureusement pour lui, il n'avait pas les moyens. Il était pauvre de s'acheter des équipements de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a volé un bouclier. Vous savez, un bouclier, c'était un outil de, défense, des guerres dans ce temps-là, alors il a volé. Et après, il a, il a caché dans un, magasin, dans un magasin d'un non musulman, des juifs. Après des investigations, des enquêteurs ont retrouvé le bouclier dans le magasin, accusant le, euh, le propriétaire du magasin comme étant le voleur. Mais quand ils ont approfondi leurs recherches, l'affaire est tombée sur euh, Touma. Et après les interrogations, euh, il s'avère que ah, ah, ah, Touma est maintenant responsable. C'est lui les voleur. Alors il a vu que l'affaire est tombée sur lui. Il, a, couru vers le prophète, Mohamed euh, prophète pour pouvoir le défendre. Alors, prophète Mohammed après quand s'est expliqué, qu'il a fait ses patients lui, non, non musulman, croyant que le prophète Mohamed parce que lui, il a le même, la, le même foi que le prophète, que le euh, il veut dire que les musulmans, que le prophète Mohamed allait le défendre. Non, on n'a pas fait ainsi. Le prophète Mohamed a donc parlé du prophète, ou, ou euh, a utilisé la parole d'Allah qui a dit dans le Coran, Coran euh, chapitre 4, verset 135. Euh, dans ce verset, elle a dit, oh, les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah euh, ordonne, fût ce contre vous-même, contre vos pères et mères et proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un euh, besogneux. Allah a priorité sur eux et il est plus connaissant de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Donc, jusqu'à la fin. Vous voyez là, Allah a, ordonné que nous, tous musulmans, doit être du côté de la justice. De ne pas défendre, de ne pas encourager son frère qui est dans l'erreur. Tu n'es pas courageux à continuer dans, cette erreur-là. Que, cette personne soit quelqu'un euh, de notre, du même foi que vous, qu'il soit votre père ou mère, ou même vos frères, ne le défendez pas dans cette euh, injustice. Mais plutôt, installez cette justice. C'est ce que le prophète Mohammed a fait. Et le compagnon a été blâmé. Donc vous voyez, à, c'est ainsi que tout croyant doit agir. Et en quelque euh, dans, notre, dans cas aussi, dans ce verset, Allah nous ordonne aussi d'adopter seulement que les bonnes choses. On voit que cela est, ici est mauvais, il ne faut pas aller faire cela. Parce que déjà, le fait, ça c'est la, manière dont euh, un bon croyant doit gouverner, que le prophète Mohammed a gouverné. Donc si on voit que la justice est là, il faut éviter tout ce qui est erreur. Parce que si on a, commis cette erreur, eh bien ce sera puni de cette manière. Voilà, donc c'est la, la source, c'est l'événement qui a causé donc cette, euh, à euh, euh, que vous, on vient de mentionner. Euh, merci beaucoup. Avant que euh, euh, j'aborde la deuxième question, Monsieur Saad, et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce cas que vous frère bien d'expliquer. Merci. Effectivement, la justice en islam, c'est quelque chose de très, très important. Et, le prophète, notre guide suprême, et, dans toute sa vie, il nous a fait que montrer. Et il nous a tracer euh, la voie de la justice. Et, dans cet exemple qui vient d'être cité par mon frère, je vais peut-être, euh, euh, en plus du verset coranique qui vient d'être cité, je me rappelle aussi dans notre hadith qui est rapporté par Abu Huraira, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit al-mazlumi mustajaba, c'est-à-dire la la supplication ou euh, la prière de quelqu'un qui a été opprimé, elle est exaucée. Donc, euh, euh, même si ce quelqu'un-là est le mécréant ou c'est quelqu'un qui, qui, qui, fait des choses qui sont interdites à la religion musulmane, tant que vous l'opprimez et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui rendre justice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous confirme que ses invocations, elle est exaucée. Donc cela nous démontre que l'injustice en islam, c'est quelque chose euh, qui n'est pas du tout accepté. Donc vous devrez être juste, qu'il euh, que ce soit vous à vis euh, d'un musulman, d'un musulman, que ce soit cette personne, elle est votre proche, comme l'a cité le verset coranien, même si c'est vis-à-vis de, votre parent, vous devrez être juste. Donc s'il se trouvait que vos parents ou vos proches se trouvent dans une situation d'injustice, il faut avoir le courage de ne pas le soutenir dans ce sens-là. Et euh, ça me rappelle aussi dans notre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ou C'est-à-dire, il faut aider ton frère musulman, qu'il soit euh, juste ou bien qu'il soit euh, euh, euh quelqu'un qui, qui, qui, qui, a, commis de l'injustice à l'égard de quelqu'un. Et les, les compagnes du, prophète, elles étaient choquées. Oui, on sait, si notre frère, il a été opprimé, effectivement, on va venir l'aider pour qu'il soit dans ses droits. Mais s'il est l'agresseur, comment on peut l'aider Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a demandé, il faut l'arrêter d'être agresseur vis-à-vis -vis de quelqu'un. Voilà. Euh, merci beaucoup. Euh, euh, ce cas est très très important et les exemples que vous nous donnez, même le verset coranique que le frère a, évoqué, ceci démontre que l'islam est pour la justice. donc, est-ce que vous pouvez, quelles sont les leçons, vous voyez, quelles, quelles sont implications et même les leçons de ces cas du professeur sallallahu parce qu'il donne un jugement qui est euh, favorable euh, envers un non-musulman contre les musulmans. Mm. Quelles sont les leçons euh, qu'on peut avoir dans ce, dans ce cas Effectivement, les leçons qu'on peut tirer dans cet exemple, c'est comme je viens de le citer, et il faut que tout acte qui sera posé par un musulman, il faut que cet acte-là, qu'il soit un acte euh, qui est sur la voie de la justice. Il faut qu'il soit juste, il ne faut pas qu'il soit agresseur, hein, tant qu'il n'a pas été agressé. Voilà, donc euh, si vous êtes euh, agressé aussi, le verset coranique nous apprend que il faut juste rendre le mal qu'on vous a été fait équivaut à mal que vous avez reçu. Donc il ne faut, pas transgresser. Voilà, donc... Vraiment, cet exemple nous apprend euh, à être juste et à travailler pour euh, l'implication et la consolidation de la justice. Eh ben, je m'intéresse à, ce que vous venez de dire, qu'il ne faut pas transgresser. Et à ce que vous dites qu'en tant que musulman, même quand on veut prendre revanche, il faut faire attention de ne pas euh, faire plus qu'on nous a fait. Donc si quelqu'un a gâté votre peut-être un machin. donc, euh, et vous voulez, vous, euh, euh, vous voulez prendre revanche, ah, il faut faire attention de ne pas faire plus que il vous a fait, parce que l'islam se base sur la justice. Ah, soyez juste. Et ce que cela veut dire même, c'est que ah, pardonner est, plus important, parce qu'il est très différent de vouloir prendre revanche à, pas aller au-delà de ce qu'on vous a fait. Donc, ah, vous voyez, tous ceci, toutes ces leçons sont très très importantes pour tout musulman, pour tout musulman euh, de comprendre. Parce que cela guide euh, nos actions. Oh. Euh, il faut être juste. Si on voit qu'on euh, ne peut pas être juste, il faut pardonner. Exactement. Exactement. oui, je, me rappelle, bien le verset coranique. Oui. فعاقبوا oh, comme vous venez de l'expliquer. ce que veux dire, si, on vous fait quelque chose du mal, et vous voulez euh, prendre revanche, prenez, prenez votre revanche à, à, aux mêmes mesures qu'on vous a fait du mal. Ah, mais si vous, si vous vous patientez, c'est est mieux euh, euh, que de prendre à revanche qui va au-delà de ce qu'on vous a fait. Ouais. Et ça, ce sont des versets coraniques qui nous enseignent de pardonner, de toujours pardonner. Monsieur Abdelgafar, il y a un autre cas euh, dans la vie euh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa de punir un homme musulman parce qu'il n'avait pas de preuves suffisantes pour punir cette personne. pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura besoin des évidences suffisantes avant de punir un homme musulman, même s'il a fait des choses qui ne sont pas bonnes. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner euh, un éclaircissement sur euh, le cas, sur l'histoire Qu'est-ce que s'est vraiment passé Et est-ce que ça, c'est la tradition musulmane ou même ce sont seulement l'imagination du professeur de de dire non, laissez-lui ou même est-ce que c'est ce que l'islam enseigne Alhamdulillah, vous quand on parle de la justice, c'est vice-versa. C'est-à-dire que euh, quand on vous fait, on a dit tout à l'heure, quand on vous fait du mal, si vous avez l'intention de prendre revanche, prenez votre revanche juste, au même degré que ce qu'on vous a fait. Ça aussi, c'est la justice. Dans le deuxième cas, il, faut, il ne faut pas aussi, il faut aussi euh, faire de sorte que, entre vous, s'il y a quelqu'un qui a commis une erreur, si c'est votre frère qui est fautif, eh bien, il faut le punir aussi. Donc, euh, ce qui s'est réellement passé euh, dans ces cas ici, c'est pas parce que l'habitude des musulmans qu'il ne faut pas. Si, le prophète Mohammed n'a pas réagi ainsi, cela veut dire qu'il ne veut pas installer la justice. Vous voyez, l'affaire qui s'est donc euh, passée entre les le musulman et le non-musulman, le frère euh, hein, dont le frère était, euh, son frère a été assassiné. Euh, son frère s'appelait Abdullah. Alors, il a voulu prendre sa revanche. Il voulait qu'on punisse hein, à les Juifs qu'il accuse d'être l'assassin de son frère, sans preuve concrète. Alors, lorsqu'il est arrivé au prophète de Mohammed, il s'est expliqué, on a dit, c'est toi-même qui devais payer le dia. Parce que le prophète envoyait la lettre au, juifs et lui ont retenu que ce n'est pas nous qui, qui avons assassiné son frère. Ok, paye. Après avoir payé euh, euh, euh, ses, prix de sang, eh bien, l'un des chameaux l'a touché. Cela veut dire que il voulait la, revanche de son, de son frère injustement. Et il a été puni. Le verset coranique, euh, euh, Coran euh, Al-Maïda, verset 8, où Allah dit Ô oh, les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. S'il avait des preuves, s'il avait des témoins qui étaient là, qui ont testifié que ces, gens-là qui l'ont tué, le prophète Mohammed pourrait le défendre. Mais il n'avait rien. Tu es venu constater c'est Allah seulement qui, sait. Donc, euh, notre prophète Mohammed a mis en pratique les enseignements, de, ce qu'Allah a dit dans le Coran, les enseignements du Coran. Nous ne voulons pas punir quelqu'un injustement. Et c'est la justice que le frère doit accepter. Et qu'Allah soit avec nous. Amen. Amen. Ah, merci beaucoup. On voit que le prophète a essayé ah, toujours de maintenir ah, la paix et aussi la justice euh, pour euh, le vivre ensemble. Euh, monsieur Saadou, quelles sont vos pensées par rapport à l'implication de ces deux cas qu'on vient d'évoquer dans, cet épisode Le premier cas, le professeur sallam donne un jugement favorable à un non-musulman à contre un musulman. Et dans le deuxième cas, le prophète refuse la punition des non-musulmans à, à, moins qu'il y ait des évidences qui sont... Quelle est votre... Euh, est-ce que vous pouvez partager votre euh, euh, réflexion sur, cette, sur ce cas Effectivement, merci cher frère. Effectivement, ces deux cas nous, nous enseignent davantage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit euh, le verset coranique illa Le prophète, tu été envoyé pour euh, la miséricorde pour toute l'humanité. Vous voyez, euh, dans les deux cas cités, malgré que c'est des gens avec lesquels le prophète ne partage pas la foi, mais quand même, comme c'est une recommandation divine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est bien positionné pour leur rendre justice. Donc, euh, je vais aussi euh, euh, apporter toujours dans le même sens en disant que l'imam Qurtubi, dans son commentaire sur le Coran 5, verset 8, qui est, vient d'être cité, notamment Ya amanu la qawmin ala Il dit, ce verset montre que, l'imam Qurtubi dit que ce verset montre que la mécréance d'être coffre ou d'être kafir d'un incroyant ne l'empêche pas de jurer de, la justice. Le fait qu'il est mécréant, ça ne doit pas l'empêcher de jurer de ce droit qu'il soit, euh, qu'on lui rend la justice. Voilà. Et je vais aussi ajouter que cette justice euh, doit être appliquée dans tous ses sens, que ce soit dans les actes, dans les paroles. Hein, dans les paroles, il y a un verset qui disait que euh, euh, quand tu parles, sois juste. Voilà, ça c'est le chapitre 6, verset 158. Ah, merci beaucoup. Euh, faute du temps, je, vais, euh, je crois qu'on euh, va s'arrêter ici. Mais avant cela, il y a l'imam Ibn al qui disait que l'enseignement de l'islam ne sépare pas les gens par rapport à, la justice. Donc, tout, justice, la justice de l'islam est à tous. Donc, euh, on ne dit pas parce que celui-ci est musulman, celui-ci n'est pas non-musulman, on donne la justice aux musulmans et on fait l'injustice vers euh, les non-musulmans. Non. les enseignements de l'islam ne séparent pas euh, entre les gens par rapport à, la, justice. Ah, merci beaucoup à Chef d'être ici aujourd'hui encore, Inch'Allah, et aussi à nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre patience et j'espère que vous, vous avez appris beaucoup des choses dans cet épisode. On se retrouvera dans l'épisode prochain. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.